Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, sur la Fada, l'artiste s'exprime. Bonjour et bienvenue sur votre que L'artiste s'exprime. Nous accueillons aujourd'hui un artiste reggae, man confirmé. Il est nigérien, il vit en France, il s'appelle Salim Dia Peter. Salim Dia Peter, bonjour first lion of Judah. Yes. blessing, Reste donc avec nous aujourd'hui, on va parler au maximum de la musique reggae, la seule musique non falsifiée. Alors Salim Diaputer est un artiste nigérien qui vit en France. Et eh, il va nous parler de qui est véritablement Salim Diaputer. Alors Salim Diaputer, parle-nous de l'artiste sur l'émission Tout ça la Alors Salim Diaputer est tout simplement un enfant de Calais et de Niamey. Et je vais dire euh, qui a grandi dans les ghettos, les glos-glos, comme vous le savez. Et après plusieurs aventures, euh, je vais dire en 1989-90, j'ai pris les chemins. Donc je suis parti voir euh, Fela Kuti au Nigeria. Je suis resté à peu près trois mois. À mon retour, je n'ai pas pu rester encore au Niger. Je suis parti voir les polyrythmos au Bénin. Et donc, euh, de retour en 93, j'ai décidé de faire mes bagages pour aller m'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, en ce temps, avant tous ces, départs, euh, ces aventures, j'étais aussi le, un des fondateurs d'un très grand groupe de danse à l'époque, dont il y avait Gabiro, Homeboys, et nous, on s'appelait New Generation. Donc New Generation, on a dansé avec euh, les Starmania, pas mal euh, des personnes euh, dont Baba, Babaï, et vous connaissez Lawal qui est à Toulouse. Et toutes ces personnes, c'était dans, la même génération. Super. Et après, l'aventure est longue, hein, parce que euh, je ne sais pas comment vous expliquer où s'arrêter. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire mhm. et j'ai courtoyé des différents artistes euh, reggae man, dont Alpha Blondie, Chicken Diafakoli, Ismail euh, Ahmed Farad. Et donc, ça a grandi là-bas. Après, c'était dans le groupe Mystic Vibration que j'étais le deuxième chanteur jusqu'en 98 où j'ai fondé mon propre groupe Mystique Ténéré pour faire un appel toujours aux origines et le dont le nom du Ténéré résonne partout dans le monde entier. Et euh, donc en 2002, je suis revenu à Niamey où j'ai sorti euh, un single. Euh, qui a touché pas mal de personnes qui s'appelait le message de Cap. Suite à ça, j'ai décidé de venir euh, m'installer en France. Super. Tu vis en France, de plus depuis Belle Roulette. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette euh, décision Ce qui a motivé euh, tout ça, c'est-à-dire c'est le goût de, de la découverte, des échanges. J'ai toujours aimé connaître l'autre, découvrir et aussi connaître et, échanger avec ma culture, les autres cultures, et parce que je suis métisse dans la tête. Super. Alors, on sait que euh, l'artiste se définit aussi par son engagement. As-tu des causes que tu défends, Salim Diapito Je peux dire que depuis 27 ans, je, fais, je suis dans l'humanitaire, puisque l'humanitaire, vous savez, ça commence euh, par soi-même à partir du moment qu'on est en aventure, qu'on envoie des petits soutiens à sa propre famille. C'est de l'humanitaire. Moi, je l'appelle de l'humanitaire. Alors, je voudrais surtout que euh, vous laissiez un message à l'endroit des artistes nigériens. On voudrait aussi, avant ce message, avoir euh, la vision en question de l'artiste Salim Diapiter sur l'émission Tout à la Fada à travers la rubrique L'artiste film la vision de l'artiste hein, de la musique nigérienne en général Alors, tout, simplement, euh, euh, au niveau des artistes euh, du Niger, je les félicite mhm. parce que non seulement faire de la musique au Niger, c'est vraiment un vrai parcours de combattant, pas que la musique, dans tous les secteurs artistiques. Et, je fais un grand big up à tous ces acteurs parce que vraiment ils ont le cœur sous la main et ils tiennent le drapeau. Euh, même s'ils ne sont pas de l'extérieur qui sont là, ils font de leur mieux et ils ont montré encore tout récemment des actions et de solidarité vis-à-vis des personnes victimes des inondations. Donc, je ne fais que les féliciter et les encourager à s'entraider, à se soutenir, à rester, travailler les mains dans la main, car et nous avons un grand défi à lever pour notre nation. Merci Salim Diaputer pour donc ce premier angle. On va se prendre donc dans un instant ou disons demain euh, pour donc le deuxième angle sur l'émission Tous à la Fada, la version euh, franco-germain. Merci Salim Diaputer, à très bientôt. big up, big, up. à tous. À très vite. One love.